Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans votre grande édition d'information du soir. Bonsoir, le sommaire. Covid-19, 41 cas communautaires enregistrés, 132 nouvelles contaminations, 34 cas graves. C'est la situation Covid-19 du jour. Vous aurez le point avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, El Haji Mamadou Ndiaye. La commune de Bambelor va bénéficier du programme d'appui au développement économie sociale du Sénégal. Le PADS mène une étude d'identification dans la commune. Le chef du village de Bambilor liste les priorités pour alléger la souffrance des populations. À suivre également la presse du jour. Voici pour le sommaire. bonsoir et bienvenue dans votre grande édition d'information du soir sur la zone CTV. Covid-19 continue sa percée au Sénégal, 132 nouvelles contaminations, 41 cas issus de la transmission communautaire, 34 cas graves, 70 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Le point avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, El Haj Mamadou Sur 790 tests réalisés, 132 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,71%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 91 cas, 91 cas contacts suivis par nos services, 41 issus de la transmission communautaire et répartis entre Guédiawaye 4 Grand 4 Kermassar, 3 Mbao 3 Parcelles Asseni 3 Liberté 4 2 Wokam 2 Rufisque 2 Thiès 2 Cité CPI 1 Diamniadio 1 Dieuppeul 1 Front de Terre 1 Gibraltar, Gibraltar 1, Kaulach 1, Khombol 1, Liberté 6 1, Mamel 1, Norfoire 1, Wagunyai 1, Padoa 1, Pikin 1, Richard Toll 1, Scott Urban 1, Etouba 1. 70 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs est déclaré guéri. 30 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce vendredi. L'état de santé des autres patients est resté stable. À ce jour, 8014 cas ont été déclarés positifs, dont 5381 guéris 145 décédés et donc 2487 sous traitement. Le programme d'appui au développement économie sociale du Sénégal, Itabamilor, le PADS, est venu pour s'enquérir les difficultés de la commune afin d'y apporter une réponse. Ce programme compte s'élargir sur plusieurs domaines. Une rencontre a réuni les responsables du programme et la commune. Écoutons à ce propos Doudou Sani, un agent de PADS au micro de Aline Batrachouk cette principal de ça permettra à la PADES d'avoir euh, une vision globale, n'est-ce pas, de l'ensemble des zones au niveau des différents euh, services sociaux de base, tels que euh, bon, les établissements de, de santé, et en même temps les établissements scolaires par exemple, le PADES intervient dans la construction des, établissements, comme des, structures sanitaires, les postes de santé. En même temps, au niveau de l'éducation, il, construit des, des, écoles. En même temps, il réfectionne des salles de classe. Même ici à Bambilor, on a eu euh, à faire euh, certaines constructions telles qu'une poste, une poste de santé de ce genre. Dans les régions aussi, au niveau de Kaolak euh, et, et présentement Ce programme, ce que Bambilor peut attendre, c'est beaucoup. Hein, parce que ça, c'est juste une situation de référence. Parce que maintenant, après avoir fait l'étude, n'est-ce pas, y a, on, saura qu'il y a des manquements au niveau de Bambilor. Maintenant, du fait que Paris est en collaboration avec certains, euh, en coopérative avec euh, des, structures structure euh, italienne, j'ai ai le nom là, mais l'essentiel euh, en partie, le PADES, euh, il, fait quelque chose de concret. c'est ça en gros. Mais Bambilor peut attendre beaucoup de choses euh, pour le PADES. Le PADES vient en appui la commune de Bambilor, une collaboration fructueuse et rentable pour le développement de la commune, selon le représentant du maire. Écoutons Zaldiop au micro de Abdoulaye Massali. C'est tout juste pour vraiment rehausser le cadre de vie de la population de Bambilor sur le plan des infrastructures, sur le plan même des associations euh, des femmes, des jeunes. Donc euh, c'est une aubaine pour la commune de voir euh, le ministère de la Femme envoyer de ses agents ici pour qu'on puisse vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le village de Bambilor. en appoint ce que la commune a déjà fait. Donc ça, vraiment, nous en félicitons. Et nous en remercions aussi Madame euh, la ministre. c'est parce que c'est une demande sociale. À chaque fois, on reçoit des demandes sociales au niveau de la commune, au niveau de l'État. Donc, euh, selon nos prérogatives, ce qu'on peut faire nous au niveau de la commune, c'est nos priorités, c'est augmenter les salles de classe, euh, construire des postes de santé, mais sur le plan des grandes infrastructures, des grands travaux, c'est l'État qui doit venir en appoint. Donc du moment que les gens nous ont posé des questions ce problème des infrastructures, le problème de la voirie, ce problème des lieux de culte. Là, on se dit que nous demandons, nous, nous félicitons l'État, les encourageons de continuer ces, démarche démarches pour qu'on puisse avoir vraiment comme euh, ce qu'on a avec Promoville pour euh, rehausser vraiment le cadre de vie de Bambilor. Nous, avons même, nous avons ajouté sur les observations qu'il est nécessaire d'avoir un cimetière municipal au niveau de Bambilor. Parce que Bambilor, c'est un réceptif. C'est un village pilote qui regroupe beaucoup de villages, beaucoup de cités. Or que le cimetière de Bambilor ne fait pas 3 hectares. Donc ça nécessite vraiment que l'État vraiment nous vienne en aide pour qu'on puisse avoir son cimetière municipal au-delà de, sur le TF de 1975. Le programme d'appui au développement économique social du Sénégal est venu à son heure à Bambilor, une initiative bien magnifiée par le chef du village. Voici Abdou Aziz Gueye, chef du village au micro de Estelle Madeleine Deki. Nous population pour même ay lu lu baax am na loo xam ne lii lu lu lu jaaduwul la moo tax ñoom lii leen fi indi yëpp pour population bi la pour xool ndax euh, ñun li ñuy dund jaadu na wala jaaduwul ñooñu nag ñun amuñu seen pay xanaa di leen ñaanal rek di ndax fépp foo xam ne fi ay jafe-jafe am na fa laaj nañ ko tontu nañ tontu nañ leen sa lañ ñu doon laaj lañ ñu doon laaj nag ala agent yoo xam ne état bi moo leen yebal Euh, état nag mooy yilif ñëpp ki yilif sa njaboot nag war ngay dem di nemmeeku sa njaboot ba xam ndax lan mooy seen problème. Padef bu ñu ñëwee fii di ñu nemmeeku dañuy xam ne daal. Euh, Je salue l'initiative des FADES d'être venus pour connaître les difficultés que la population rencontre. Même si on a de bonnes choses, toutefois, il y a des choses qui ne vont pas bien. Ils sont venus pour voir comment vit la population et pour ça, vraiment, nous ne pouvons pas les remercier assez car ils nous ont demandé les difficultés que nous rencontrons et nous leur avons Ces agents sont délégués par l'État et ce dernier est censé veiller sur tout pour voir ce qui va et ce qui ne va pas dans les localités. On est très du ministère de la Femme qui a délégué ses agents pour venir voir comment va la localité. Il y a des choses que l'État a fait et c'est pour ces raisons qu'on a espoir car ils nous ont questionné sur euh, tous les aspects par rapport à ce que l'État a réalisé et ce qui manque. L'État a réalisé des choses et ils nous demandent ce qui manque alors on a foi en eux et qu'ils nous prendront en compte nos problèmes. On leur remercie infiniment. À présent, place à la presse du jour, passée en revue par Estelle Madeleine Deki. L'épidémie coronavirus monte et gagne du terrain au Sénégal. À propos justement de cette pandémie, Vox Populi titre L'Église sénégalaise garde ses portes closes et craint une seconde vague de contamination et un reconfinement. Déclaration de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, au sujet de l'évolution de la pandémie. La situation actuelle ne milite pas en faveur d'une réouverture immédiate de nos églises pour le culte. Les églises restent fermées jusqu'à nouvel ordre, avancent les échos du journal. Le journal donne également la part à Omasar qui précise Je n'ai pas laissé Wad, c'est mon père, mon guide. La danse macabre affiche à sa une le journal Enquête sur un sujet connexe à la COVID-19. Le journal rapporte que dans la région de Dakar, les centres d'état civil révèlent une recrudescence des morts nés, une augmentation du nombre de décès habituellement recensés qui ne pourrait cependant pas être directement liés à la pandémie de la COVID-19 précise cependant le journal. La mort de certaines gazelles a mis l'opinion en émoi, au point que des élus locaux de Ranerou ont exigé que ces bêtes soient restituées. La tête du ministre mise à prix shérif, Wolf Quotidien. Selon le journal, la plateforme Avenir Sénégal Bug demande au chef de l'État de limoger immédiatement son ministre Abdou Karim Sall, mis en cause dans cette affaire de Gazelle Oryx. Walf, qui s'intéresse aussi au secteur du tourisme avec les 246 milliards de baisse du chiffre d'affaires à la une du journal, le tourisme et l'hôtellerie au bord de l'abîme. Indice de perception de la corruption. Le Sénégal ne quitte pas la zone rouge. Barre la une du journal La Tribune sur les insultes de Cicelo. Le journal renseigne que le procureur a actionné la gendarmerie pour faire toute la lumière dans cette affaire. Parlant de l'affaire Audio Scandale, la brigade de recherche activée Wanted El Pistolero titre le journal critique. Dans l'esprit de ces sujets et titre les dissensions et enquêtes de moralité au sein de l'APR, l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir, les défis du président affiche ce quotidien à sa une. L'AS consacre sa une à un large dossier réalisé au massacre de la bande Filao, Kayar menacé d'extinction. Dans les quotidiens sportifs, avec notamment le Stade quotidien, la Ligue des champions européennes à la une, Barça, Bayern, Real et la Juve, deux gros chocs possibles en quart. Sadio Mané sur ses performances avec Liverpool ce que j'ai fait est incroyable, lâche l'enfant de Bambali. C'en est tout. Excellente lecture, bon week-end à toutes et à tous. Justement, cette revue de presse a bouclé cette édition. Merci de l'avoir suivie et merci de rester fidèle à la Zone TV. L'information revient à 21h en Wolof avec Batra Job. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.